Toute l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. La santé des Sénégalais est gravement menacée en cause. Le pays risque de faire face à une rupture totale de médicaments. Selon Source A et l'observateur qui donne l'information, les quatre grossistes répartiteurs pharmaceutiques menacent d'arrêter l'importation de médicaments. À l'origine, un contentieux avec la douane qui les reproche d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation euh, sur le marché en vigueur. Le président de la République, Macky a limogé son ministre conseiller Moustapha Diakhaté par décret 2019 1828 octobre 2019. Ce dernier s'est distingué durant ces derniers mois par des positions qui dérangent parfois au sein du camp présidentiel auquel euh, il appartient. Ainsi, Mustafa Diakhaté a remercié le président Sall de l'avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de la paire et de son magistère. 48 heures après la mort du chef rebelle Abdou Elenkin Diata, Libération vient de lever euh, euh, le voile sur le voile sur les premiers éléments de l'enquête. Selon le journal, les deux tueurs étaient euh, dans une moto Jakarta lors de la cérémonie organisée à, Molompo. Euh, ainsi, ils ont visé directement le secrétaire autoproclamé euh, du MFDC. Libération dixit que c'est un règlement de compte. L'ancien patron de l'athlétisme mondial I2AF, Lamine Diak, sera jugé avec son fils Pape Massata Diak à partir du 13 au 23 janvier 2020 pour corruption, abus de confiance entre autres, selon Jeune Afrique qui donne l'information. Les deux hommes sont euh, soupçonnés euh, d'avoir couvert euh, des cas de dopage de sportifs russes. Sport, le sélectionneur national à l'UCC fera face à la presse jeudi à 10h à Dakar. Il sera question de la publication de la liste des Lions qui devront affronter le Congo le 13 novembre prochain à Thiès, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour la musique du jour. Nous vous proposons donc le jeune chanteur saint-louisien Dari Diouf dans Goody. Le morceau évoque les bienfaits et méfaits de la nuit. Et c'est dans un instant. yéen a ngi déglu King FM ci 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak euh, wàllu euh, wér-gi-yaram fii nii ci euh, réewum Sénégal nag jàpp leen nii boo moytul njombe dina ci am sabab li moo di ay médicament di garab yi moo fi nar dugg bu ñu sukkandikoo nag ci yéenekaay yi di Source A ak L'Observateur ñu ñu baaxee xibaar yi ñeenti grossiste yi ëpp doole te daan dugal ay garab fii nii ci réewum Sénégal nee nan dinañ ko dakkal li ko sabab nag moo di coow lu dox seen diggante ak douane dugal ay garab te duñ ci am benn ah, dogal bu ah, jaar yoon njiitu réewum Sénégal président Macky Sall dàq na ministre conseil bi di Moustapha Diakhaté jaarale ko ci ab décret présidentiel moom Moustapha Diakhaté sax nemmeeku nañ ni ah, weer yi génn yépp day dal bu baax a baax ci kaw waa nguur gi loolee nag tax ba mu metti bu baax a baax njiitu réew mi ba tax ci mujjantal ga mu daal di jël dogal dàq ko moom Moustapha Diakhaté nag daal ne gërëm bu baax a baax président Sall gannaaw bi ñu àndee di liggéey atum 2018 ak léegi ñaari fan gannaaw bi ñu boomee njiitu rebel bi di Abdou Elinkine Diatta Libération nag nee na am na lu ci bees ndax nag gannaaw enquête ba li ñu nemmeeku moo di ñaari doom aadama yu waroon benn moto Jakarta ñoo ñëwoon ca cérémonie bu amoon ca Mulomp daal di koy euh, boom moom mi nga xam si tamit moo waxoon ni mooy secrétaire général bu MFDC Libération gis ni kon règlement de compte am na ca ki fi nekkoon kon patron bu athlétisme mondial yi 2AF di euh, Lamine Diack moom nag dinañ ko bokk àtte moom ak doomam ni ki fukki fan ak ñett ci weeru janvier

sélectionneur national di Aliou Cissé dina janloog taskatu xibaari ni kal alxamis bi nu deugmal sabab li modi di euh, fésal euh, listu ñaar fuk ak ñatti gaynde yi nara ak Congo fukki fan ak ñatt ci wéru novembre bi nu deugmal jongante bobé sax ci euh, éliminatoire CAN 2021 la té nara a fi ni ci réewum Sénégal na ci Thiès ci stade de musique la jéxalé tënku xibaar ñu leen di diktal woyu doomu ndar geej bi di ndari Diouf mu guddii way la wo xam si mi ngi wax ay ngeenel ak ay li lor kaaraange ci wàllum euh, guddi ci ay 9h30 lay dernière partie King Morning Al ak équipe Et vous retrouverez Salut à 9h30 dans le 9-11 euh, qui sera géré par Kals et toute la rédaction euh, euh, qui est dont la coordination est faite par Dissaprera ainsi que tous les membres de la rédaction qui font un travail remarquable. Toi, par contre, nous te retrouvons demain à partir de 7h du matin dans le Morning King. Merci, Salut Sec. Bonne journée à toi. Mesdames et messieurs, New Dial way extrait de l'album History, le grand Yosuno, la légende vivante, Confession. Et après, ce sera au tour de Maïté de vous présenter les horoscopes qu'elle a reçus dans Joke Job.